Espace Femme. Espace Femmes. Espace Femme. Espace Femmes. Merci de suivre les programmes du studio Kalangu à travers nos radios et télévisions partenaires et bienvenue à l'émission Espace Femme. Avec des spécialistes en la matière, Espace Femmes traite des sujets qui touchent particulièrement les femmes, mais qui intéressent aussi les autres, notamment les questions de santé, d'éducation, d'entrepreneuriat, de politique, bref, tout ce qui concerne la vie en société des femmes. Le thème de l'émission Espace Femmes ce soir portera sur les femmes et les élections. Quels préparatifs pour une meilleure implication dans le processus électoral 2020-2021 au Niger à ce jour, quelle appréciation se fait de la présence féminine en politique au Niger Quel est l'état des lieux Pourquoi la représentativité est aussi faible quand la femme arrive à s'impliquer dans la politique, quelle place elle occupe au sein du parti politique Qu'est-ce qui pousse une femme de la politique à être candidate Quelles sont les difficultés rencontrées par la femme politicienne d'abord au sein de sa famille, ensuite socialement et enfin au sein même du parti comment se fait leur cohabitation avec les hommes. Avec nos invités, nous allons trouver des réponses à toutes ces questions et bien d'autres qui seront posées au cours de cette émission. Pour ce faire, nous accueillons ce soir Madame Mayna Hassanafal, une représentante de l'ONG Femmes Action et Développement. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous Madame Fatoumata Sangare, secrétaire générale de l'Union des femmes patriotes et présidente du COFEMEP. Bonsoir, madame. Bonsoir. Et enfin, Madame Maria Magambo, une femme formée et élue au Niger. Je suis Rafika Tahir pour conduire les échanges. Merci à vous, chers invités, de nous avoir honorés de votre présence. La mobilisation des femmes dans le processus électoral remonte à 1990 avec la marche pacifique de ces dernières pour réclamer une meilleure représentativité aux assises de la Conférence nationale souveraine. C'est un rappel et c'est le 13 mai 1991. Cela constitue le premier départ pour les femmes qui s'activent à chercher des militants et sympathisants pour leur parti politique pour mieux cerner les difficultés auxquelles font face ces femmes politiques et trouver des pistes, des solutions, je donne pour commencer la parole à Madame Mayna Hassana de l'ONG FAT. Quel regard portez-vous de la politique des femmes au Niger donc, euh, on peut dire que la politique de la femme euh, au Niger maintenant, elle est en bonne marche. Elle est en bonne marche parce que maintenant, euh, il y a une prise de conscience des femmes. Donc, elles sont maintenant prêtes à faire la politique. Pensez-vous que la femme nigérienne est vraiment prête pour entrer dans le domaine politique oh Oui, oui, bien sûr. Elle est prête à entrer dans le domaine de la politique parce que, comme je l'ai dit, il y a une prise de, conscience. Parce que maintenant, il y a des femmes vraiment qui se battent pour euh, avoir une place dans la politique, surtout dans les instances de prise de décision. Madame Fatoumata, en tant que femme en formation et candidate, dites-nous pourquoi vous êtes intéressée à la politique au Niger et qu'est-ce qui vous a motivée eh, Merci. Donc, euh, ma motivation première d'abord, c'est vraiment... Eh, vous savez, aujourd'hui, si vous ne faites pas la politique, il est difficile d'être dans les instances de prise de décision et eh, surtout pour le développement du pays. Donc, on n'a pas assez de femmes aujourd'hui dans les instances de ces prises de décision. Et ma motivation première d'abord, c'est d'être dans un parti politique, militer pour, le, pour les, idéologies, les idéologies de ce parti politique et aussi participer au développement de mon pays. Parce que euh, vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que euh, au sein des partis, il faut être parti d'abord d'un parti, il faut faire partie d'abord d'un parti politique pour pouvoir oser ou bien penser être dans les instances de prise de décision. Donc vraiment, je pense qu'en militant dans ce parti politique-là, j'aurai ma place dans le parti politique et aussi et certainement dans les instances de prise de décision qui seront très favorables. mes décisions peut-être ou bien mon implication ou ma participation, j'ose espérer que euh, en étant dans les instances de prise de décision, peuvent amener à faire bouger les choses. Donc c'est pas une seule personne qui peut le faire, mais je pense que vraiment en agissant comme ça, toutes les femmes peuvent penser comme ça et aussi être dans les instances de prise de décision, ça peut faire amener des avancées notoires aujourd'hui, surtout avec le quota qu'on est en train de vouloir vraiment eh, rattraper par rapport au retard de son exécution. Euh, Madame Mariama, vous avez été formée et élue au Niger. Pouvez-vous nous dire le premier poste que vous avez occupé Merci, bonjour. Je remercie directement Studio Kalangu pour euh, avoir pensé vraiment à m'inviter pour que je puisse euh, parler de mon expérience et que les autres puissent euh, en profiter. J'ai été formé, comme vous l'avez dit. J'ai été suivi pas à pas par euh, une ONG internationale, à savoir CARE International. Et c'est CARE qui m'a poussé, amené, convaincu, je peux, et je me suis dit que je peux et maintenant, là où je suis arrivée, je ne peux pas dire non. Et j'ai été élue pas une seule fois. Quand la décentralisation a commencé en 2004, j'étais candidate, mais à Zender. J'étais candidate à Zender, c'était une façon de dire que c'est chez moi, je vais partir être candidate là-bas. J'ai été candidate, j'ai été élue, et en 2011, vu ma popularité à Niamey, les femmes et les hommes de Niamey, de mon quartier, ont dit cette fois-ci, tu ne vas pas à Zander. C'est ici que nous nous voulons de toi. En 2011, j'ai été aussi élue et toujours c'est au niveau local. Donc, je suis élu local, élu municipal ici à Niamey et conseillère de ville et au titre de l'arrondissement communal de Niamey 3 et j'ai même été présidente de la commission des affaires générales institutionnelles et de commission générale institutionnelle et de coopération. Donc CAGIC, il y avait <laughs> deux, appellations, c'est pour ça que j'ai hésité. Donc CAGIC, commission des, affaires générales institutionnelles et de coopération. Mhm. Je suis la présidente de cette euh, auguste de ce auguste comité mhm. où ça a bien bardé avec les hommes là-bas. <laughs> Nous allons revenir là-dessus. Mais maintenant, quelle appréciation faites-vous de la présence féminine en politique au Niger et quel est l'état des lieux Moi, je suis fière parce que j'ai participé à la marche du, euh, du 13 mai 1991. Euh, en ce temps, les Madame Foumaka était devant et nous, nous étions derrière. On criait, et, mais malgré tout, je savais quand même pourquoi je me suis joint à cette, à cette équipe-là. Donc, euh, vous voyez, on dit qu'il y aura conférence nationale au Niger et on nous donne une seule représentation. Et en son temps, tenez-vous bien, les femmes étaient à 52,68% de la population du Niger. Ce n'est pas maintenant que c'est 50, euh, et nous disons que nous sommes plus que plus nombreux qu'eux. En son temps, on était réellement plus nombreux que les hommes au Niger. Et, mais on dit que c'est une seule femme qui va nous représenter. Et d'ailleurs, euh, dignement, parce que c'était Mme et Essata qui avait été désignée. Donc je suis fière vraiment, elle fait partie aussi de mes exemples et des de des personnes sur lesquelles j'ai copié. Donc, les femmes sont sorties et je vous jure que c'est comme si il y avait quelque chose qui piquait toutes les femmes là, toutes ces femmes là, on était sorties sans aucune programmation. On était sorties directement. Maintenant, nous voulons ceci et il nous faut cela. Voilà pourquoi la sortie du 13 mai 1991 euh, est une sortie qui ne sera jamais oubliée au Niger. Il n'y avait pas tellement le téléphone, hein. il n'y avait pas. Mais ça fait écho en un rien de temps et ça a soulevé toutes les femmes ensemble. Et toutes les femmes étaient sorties ensemble. Il n'y a pas de catégorie de femmes qui n'avaient pas assisté à cette marche-là. Que tu sois illettré ou lettré, que tu sois euh, fonctionnaire ou non fonctionnaire, il y a même des malades qui avaient quitté le lit du, de l'hôpital pour se joindre à nous ce jour-là. Je me rappelle bien, je peux bien citer des noms mais ce n'est pas le un grand jour pour la femme. Et donc, pour agrémenter un peu notre débat, je vous propose de suivre le témoignage d'un homme qui apprécie la participation politique des femmes au Niger. Il s'agit de M. Djika Abdou. Sambaïze, il est président du bureau politique DDPN Tarbiya. La femme, elle est au centre de tout le développement. Les partis politiques, qu'est-ce qu'ils cherchent Les partis politiques cherchent le développement des populations à travers leur décollage économique et social. Donc euh, c'est bien fondé d'amélioration des cadres de vie des populations qui sont fondamentalement recherchées par les partis politiques. Lorsque une association de femmes eh, arrive à fédérer tous les partis politiques du Niger pour que ensemble tout le monde euh, non seulement respecte les quotas qui leur sont octroyés, mais aussi fasse en sorte qu'il y ait une instruction, une formation dans le domaine des biens fondés de la politique en elle-même. Voyez-vous, la participation de la femme pour l'action du développement, elle n'est pas à cacher. Il n'y a pratiquement pas de développement sans la main de la femme. Donc euh, pour nous, au DPP Interbia, nous pensons que ça, ça va en droite ligne de notre propre pensée parce que à notre niveau, nous donnons vraiment une place de choix à la femme et nous pensons que nous ne pouvons réussir nos objectifs en impliquant la femme. Quelle appréciation apportez-vous au témoignage de M. Abdoujika Je commence par vous, Madame euh, Maïna. oui, ce qu'il dit donc est très intéressant et c'est la vérité des choses. Vraiment, euh, l'implication des femmes dans la politique est très très intéressante, surtout à travers les formations. Par exemple, euh, euh, je peux donner un exemple de, nos formations. Plusieurs femmes ont reçu les formations des FAD à travers le, la formation à leadership en bonne gouvernance, les processus électoraux et les textes relatifs à la participation politique des femmes. Donc, euh, des formations aussi sur la communication politique, donc comment apprendre la prise de parole en public. Donc, les formation de plaidoyer communautaire et la mobilisation des ressources, l'éducation civique, les droits humains et aussi la redévabilité Voilà, donc euh, nous faisons aussi plusieurs formations. Euh, il y aura aussi des formations qui vont venir, Inch'Allah, avec en le fait, nous allons revenir sur euh, les formations que vous avez déjà dispensées. Madame Fatoumata, quelle est votre appréciation Bon, je pense que c'est une réalité, qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, l'implication de la femme eh, serait une très bonne chose pour les partis politiques. Aujourd'hui, on, peut prendre un exemple. Moi, je, je reviens toujours sur l'exemple du Rwanda. Si le Rwanda est en train de réussir aujourd'hui en Afrique, c'est parce qu'il y a l'implication au niveau du parlementaire. Par exemple, 63% des femmes sont, eh, dans le parlementaire, c'est des femmes. Donc, je pense que eh, en impliquant les femmes, les partis politiques ont plus à gagner qu'en les laissant dans les seconds rangs des partis politiques. Et je, je, je fais partie des, des, exemples palpables. Et moi, dans mon parti politique, je pense que les leaders ont bien compris qu'il faut impliquer les femmes. Nous avons fait quatre congrès au MPN Kishinkasa. Les trois congrès, la femme était présente de l'organisation de ce congrès-là. Et c'était des réussites. Moi, je pense que là où la femme est, et qu'on l'implique, et que vraiment elle prend conscience, elle peut faire beaucoup de choses. Et c'est un appel que je lance au parti politique aujourd'hui, que eh, le, aujourd'hui la grandeur d'un, parti politique, ça passerait certainement par les femmes. D'accord. Madame Mariama, vos appréciations sur les dires de M. Abdoujika Monsieur Abdoujika a parfaitement raison. Il n'a dit que ce qui doit se faire. Il n'a pas dit ce qui se fait. Il a dit ce qui doit se faire. Et je suis fière de l'entendre de, de, la bouche d'un homme que les partis politiques doivent impliquer les femmes. Moi, j'ai dit que à partir de cet instant, les partis politiques sont obligés d'impliquer les femmes. Ils sont obligés. Pourquoi Parce que plus on, a, euh, plus, on a, plus on avance, plus les gens comprennent que une seule main ne peut jamais laver quand même, même si ça soit une cuillère. Il faut que l'autre apporte l'eau à l'une qui est en train de laver la cuillère. Ça, c'est une des choses. L'autre chose est que les femmes se sont soulevées. La loi sur le quota qui parle de l'un ou de l'autre sexe est aussi un acquis pour ces femmes-là. Et si nous jouons sur cette loi, moi je pense que un jour, la tendance va être renversée. Hein. Ça sera renversé tout simplement parce que plus les femmes ont confiance et ont conscience, plus elles s'impliquent. Donc d'ici peu, nous ne travaillerons plus que pour mettre les hommes. Nous ne travaillerons plus que pour laisser la place à l'homme. En 2004 que je disais là, j'avais voulu postuler comme euh, au législatif. Et tout le monde dans la famille a voulu que je postule. Y compris celui qu'on a poussé à venir se mettre devant moi, se dresser mon oncle qui est venu pour dire que lui aussi, il veut les législatives. Tout simplement pour que moi, je ne fasse pas les législatives. Donc, finalement, à un oncle, hein. ah, si c'est un oncle, je ne dois rien dire. Mais j'ai dit avant de lui laisser la place. J'ai parlé, j'ai dit, un tel, je suis d'accord, tu es mon oncle, je te laisse la place, mais tu vas échouer. Et il a échoué. Et en compensation, il m'a dit, bon, il faut faire, il faut aller comme concert et, communal. Et là aussi, comme je suis fâché, j'ai pris un de mes frères sur papier, j'ai fait de lui quelqu'un qui est, et titulaire. Moi, je suis suppléante. Mhm. Mais sur le terrain, c'est moi qui suis titulaire. Ce qui a fait qu'il a été élu massivement et il a eu le poste de maire, mais il n'a pas pu bien gérer. Je l'ai dit au effort, il a perdu maintenant et la popularité plus qu'avant. Parce que après, quand moi j'ai postulé euh, à Niamey, je l'ai poussé à postuler parce que je croyais qu'il avait fait beaucoup, euh, de, de, de, qu'il avait fait beaucoup aux gens pour qu'on puisse les, lire. Maintenant, c'est son tour. Il n'a pas fait, malheureusement, il est tombé. D'accord, Madame Mariama. Dernièrement, les femmes candidates ou non participent à des formations au sein de leur parti politique. Des institutions étatiques ou organisations non gouvernementales militent pour une meilleure visibilité de ces femmes dans les partis politiques pour les prochaines échéances électorales 2020-2021 au Niger. Comme le dit un adage, le problème d'une femme est celui des autres. Donc, Madame Hassana, parmi les activités que vous avez menées, que vous avez initiées, euh, l'univers des femmes politiques en fait partie. Donc depuis quand cela a commencé et surtout pourquoi avoir choisi de former les femmes pour leur implication politique D'abord, j'aimerais apporter un peu d'éclaircissement sur l'implication des femmes en politique. Parce que tout récemment, là, bon, revenons en arrière, en 2018, l'ONG FAD a eu à signer un, certain nombre, bon, une convention avec un certain nombre de partis politiques. Donc, euh, qui ont fait l'objet de plusieurs suivis. Maintenant, euh, récemment, on est revenu donc sur, la signature de ces conventions-là. Donc, euh, on a eu à aller vers les partis politiques, les leaders des partis politiques, pour faire impliquer ces dames-là, voilà, de les instances de prise de décision. On a eu à signer une convention avec 33 partis politiques voilà, donc euh, pour cette implication des femmes en politique. Donc, euh, c'est-à-dire que ces, leaders politiques-là vont, vont faire une place à, leurs militantes et quand on va faire euh, la répartition des, postes aussi, de les impliquer en même temps. Voilà. Et revenons à l'univers des femmes en politique. Maintenant, ça fait 11 mois qu'on a fait, qu'on est en train de faire. Donc, on a fait tout récemment la 11e édition euh, avec euh, Madame euh, Nana Ishatou, Madame Fumokwe, parce qu'à chaque cadre d'échange, on invite une leader politique, une leader, voilà, une femme leader qui serve d'idole, un exemplaire pour les femmes politiques. D'abord, c'est quoi l'univers des femmes en politique C'est un cadre d'échange entre les femmes politiques, donc venues de différents bords politiques. Donc, il n'y a pas de distinction, que ce soit de la majorité, donc de, comment on dit ça, et les non-affiliés et les autres, voilà. Donc, euh, l'univers accueille tout bord politique. Elles viennent pour, euh, pour s'inspirer de ce qu'on appelle la guest speaker, donc l'invité d'honneur. Et à chaque fois, à chaque cadre, il y a, à chaque cadre d'échange, il y a un thème à travers lequel les femmes débattent. Euh, c'est quoi l'intérêt Donc, c'est pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas en politique. Elles discutent là-dessus, elles apportent des solutions. Euh, elles posent des questions et elles apportent des solutions. Par exemple, la guest speaker, elle leur explique euh, comment faire pour s'en sortir. Oui, mais pourquoi avoir choisi les femmes pour les former dans l'implication politique pourquoi avoir les, raisons oui qui vous ont poussé à vouloir former les femmes dans leur implication politique C'est justement pour cette prise de conscience-là, parce que maintenant, les femmes, avant, ça ne se faisait pas, elles ne sont pas très, très intéressées. Maintenant, comme il y a une prise de conscience, donc on les fait venir pour qu'elles se cultivent de plus, de plus en plus en politique. Oui, oui, parce qu'elles auront beaucoup de questions à poser. Il y a des thèmes à débattre. Par exemple, euh, des fois, il y a des choses qui, à travers lesquelles on ne, on ne parle pas. Mais à travers ces cadres d'échange-là, elles viennent, elles s'expriment, elles disent voilà ce qui ne marche pas, ce qui marche, et voilà comment solutionner ça. D'accord. Mhm. Et qu'est-ce que vous voulez apporter aux femmes à travers cette initiative en tout cas, à travers cette euh, initiative, c'est comme je l'ai dit, c'est la prise de conscience et aussi, et aussi surtout avec l'approche de ces échéances à venir, les échéances électorales 2020-2021. Donc, qu'un bon nombre de femmes ces porte candidates, qu'elles sortent de leur coquille, voilà, qu'elles viennent donc euh, euh, déposer leurs dossiers et battre campagne en même temps. Et récemment, l'ONG la, euh, FAD a mis en place une salle d'incubation pour les femmes candidates aux élections à venir, Inch'Allah. Donc, on va prendre ces femmes-là, on va les former on va les former sur plusieurs thématiques, on va les coacher, Inch'Allah, on va les prendre une à une, une à une, c'est des thématiques différentes, Inch'Allah. Mhm. Madame Maria Magambo, quelles sont les avancées de la participation politique des femmes au Niger depuis l'avènement de la démocratie, juste après la conférence nationale Oui, il y a avancé. Mhm. Il y a avancé, mais ce n'est pas suffisant. Avant, je disais que même à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'on voyait Il y avait une seule femme qui représentait toutes les femmes du Niger. Donc, euh, après la marche du 13 mai 1991, on a commencé à avoir quatre femmes, cinq femmes. Et maintenant, on est arrivé à... Jusqu'à présent, en tout cas, le quota n'est pas respecté, mais quand même, le nombre de femmes a augmenté. Le nombre de femmes au niveau de, l'Assemblée et dans les instances de prise de décision telles que eh, eh, les ministres, les DG. Et ça a augmenté, mais ce n'est pas suffisant. Non, ce n'est pas du tout suffisant. Pas du tout. Ce n'est pas suffisant. Avant, les femmes étaient tapies derrière eh, X ou Y parce que même si tu veux, si euh, on ne veut pas te donner, on demande à X d'aller te voir, on demande à Y d'aller te voir. Ce X-là, ce Y-là, tu lui cèdes. Mais aujourd'hui, les femmes ont compris. Et avant, euh, on s'est, tapissé derrière le fait que les femmes ne sont pas instruites. Je vous jure aujourd'hui, si on devrait mettre en application les, le quota là, nous allons renverser la tendance. Wallahi. Nous allons renverser la tendance. Parce que maintenant, les femmes sont plus instruites, maintenues à l'école jusqu'à un certain niveau d'instruction. Si c'est le doctorat que tu veux, il y a des femmes doctorantes. Si tu dis que tu, as ta licence, pourquoi pas Il y a des femmes qui, ont leur licence. On était sur le banc ensemble avec les hommes, en ce temps-là, les garçons, bien sûr. Mais va voir. Peut-être que c'est la femme qui était la première de la classe jusqu'à la fin du cycle. Mais c'est une femme. Elle a obtenu le diplôme, tu as obtenu le diplôme. Dans un même bureau, dans le même bureau, on l'amène, on fait de lui ton chef. Pourquoi Tout simplement parce que tu es une femme. Je reviens vers vous, Madame euh, Maïna euh, Hassana. Avec quelle femme menez-vous vos activités Quels les, partenaires, mhm. Donc, euh, nous avons NED, NET, un partenaire donc, qui est basé à Washington. National Endowment for Democracy, nous avons le PNUD, nous avons CARE International, Ambassade de France, nous avons NDI et nous avons aussi UNFPI. Voilà. Et comment choisissez-vous le profil des femmes que vous formez euh, Le profil des femmes conforme. Donc, euh, ce qu'on fait, on adresse euh, des correspondances aux partis politiques. Donc, on nous établit une liste des femmes selon la thématique de la formation. Oui, c'est ça qu'on fait. Il y a des critères vraiment à respecter. Lesquels Les critères, par exemple, les critères d'âge, oui, les, critères de candidates aussi, euh, à travers l'âge. Il y a aussi l'expérience. Donc, faudra-t-il obligatoirement que la femme soit membre d'un parti politique Oui, en tout cas, parce que les formations de femmes ne se font pas n'importe comment. Oui, parce qu'on choisit les femmes qui, sont, qui savent ce qu'elles veulent en politique. Voilà. Est-ce que ces dernières-là sont vraiment intéressées par vos formations Bien sûr, bien sûr, elles sont très très euh, intéressées par nos formations parce que il y a des femmes vraiment euh, avec qui c'est grâce à FAD qu'elles ont occupé plusieurs postes décisionnels au sein de leur euh, parti politique. Voilà. D'accord. Donc, suivons à présent le portrait de Hajia Hawa première femme députée dans le département de Gaïa. Hajia Hawa titulaire d'un brevet d'études du premier cycle, suivit les cours normaux de Tilaberi qui, après, commença l'enseignement en 1968 à l'école primaire de Karakara. Après sa retraite, elle entama sa carrière politique en 1991 où elle fut nommée première femme députée du département de Gaïa. Je suis restée en 93 députés de la législature du président Maman Ousmane. Donc euh, après la nouvelle majorité, j'ai encore continué parce que le peuple du Dandi m'a fait confiance. Ce qui fait qu'en 2004, je suis passé encore à l'Assemblée nationale. En 2011, là encore, le peuple continue à à me cautionner. Selon elle, les difficultés ne manquent jamais pour une femme politicienne, mais c'est la ténacité qui fait la différence. Les difficultés, on ne peut pas y manquer, mais souvent il faut minimiser les difficultés. Parce que quand tu es député, tu es député national. Tu n'es pas député pour uniquement tes militants. Souvent, les militants, ils me reprochent d'être, bon, je ne suis pas partiel, parce que moi, je ne prends pas parti. Je dis que non, c'est parce que vous ne comprenez pas. Quand tu es député, tu es national pour tout le monde, pas seulement pour le peuple du Dendi, mais pour le peuple du Niger. À chaque occasion qu'un problème surgit, en tout cas, j'essaie de régler ça. Toujours souriante, disponible et sociale, Hajia Azef donne à beaucoup de femmes le rêve d'avoir une carrière comme la sienne. Témoignage de Leila. Réellement, si j'arrive à avoir une image telle qu'Awa je serai la plus comblée. C'est une brave femme qui a l'amour de son pays et elle aime aussi la population. Toute femme aujourd'hui qui a la chance d'être comme Hawa Baraji, elle peut s'estimer heureuse. Je me vois vraiment en elle. Il n'y a rien qu'on puisse dire, à part qu'aider l'assiste en lui donnant énormément de chance et à nous aussi qui rêvent d'être comme elle. Né en 1948 dans la commune rurale de Karakara, veuve et mère de sept enfants, Hajia Hawa a dû laisser sa carrière politique pour des problèmes de santé, de finances et aussi pour ce qui est devenu la politique ces dernières années. En 2011, là encore, le peuple continue à me cautionner. Les moyens ne sont pas dérisoires, mais je peux dire que la politique a changé de visage. Toujours est il dit que quand tu fus il faut aussi laisser aux autres goûter au bon repas. Voilà ce qui fait que maintenant, bon, avec l'âge, je me suis dit qu'il est grand temps que je me mette un peu à l'écart de la politique, compte tenu du contexte actuel. Mais la santé, elle est, elle n'est pas bonne. La santé est médiocre. J'ai des problèmes de diabète, d'estomac. Toi, dès la santé, dès n'est pas bonne. Quelle lecture faites-vous de ce qu'on vient d'écouter? Madame Fatoumata. Eh, merci. Moi, j'ai je, retenu deux choses. Et la première des choses, c'est qu'elle est élue nationale et rédévable. Ce que peu d'hommes font. Et ça, c'est une femme. Ça, c'est, je retiens ça. La deuxième des choses que j'ai retenue, l'alternance. Elle a pensé que à son âge maintenant, elle peut laisser aussi pour que les autres là puissent venir pour pouvoir vraiment exercer leurs droits. Parce que c'est un droit et un devoir aussi et vis-à-vis du peuple. Donc c'est très important parce que c'est des appréciations que aujourd'hui peu d'hommes peuvent penser à ce que je peux être élu. S'ils peuvent être élus dix fois, ils vont être, ils seront élus. Et vraiment, je, je, je, remercie cette tante qui a pensé à l'alternance de nous autres qui voulions venir aujourd'hui à l'hémicycle et aussi de penser que quand on est élu, qu'on soit rédévable Et c'est en ce sens-là que je reviens à, à l'ONG FAD. Parce que sans, et vous le savez bien, je suis dans le COFEMEP, c'est un comité de femmes mentors que l'ONG a mis en place en 2016. Depuis 2016, l'ONG a déjà commencé à préparer les candidatures des femmes leaders dans les partis politiques pour les amener vraiment à s'impliquer, à s'intéresser aux candidatures et au dépôt des candidatures pour les échéances de 2021, 2020-2021. Pour vous dire que vraiment l'ONG FAD est dans cette dans cette démarche-là depuis 2016, parce que je fais partie de ce comité depuis 2016. En 2018, elle a signé des conventions, des engagements avec les partis politiques pour plus d'engagement des femmes, pour plus de, prise en compte des femmes dans les partis politiques, parce que c'est de là-bas que ça commence. Et en 2019-20, euh, on vient de signer avec 30 partis, pour 33 disons, partis politiques pour plus d'implication des femmes. C'est des engagements que les leaders là ont pris pour qu'il puisse impliquer. Il ne faut pas que ça, la femme soit toujours suppléante. Il faut qu'elle soit titulaire. Et moi, j'ai bénéficié vraiment de ces euh, avantages parce qu'aujourd'hui, je suis titulaire et je vais poster. Euh, j'ai ma candidature euh, en tant que députée député, Inch'Allah, et je pense qu'on on va arriver, Inch'Allah, à l'hémicycle. Madame Maria Magambo, quelle est votre réaction Ma réaction est que cette femme, je l'ai connue. Je la connais, je sais qui c'est physiquement, moralement et même psychologiquement. Hawa Paransi a été aussi l'une de mes mentors. Il n'y a pas trois jours ou quatre, on s'est appelé, on a échangé sur divers problèmes et elle m'a conseillé sur plusieurs choses. Donc Hawa Paransi fait partie du regroupement des femmes élues locales du Niger et elle occupe un poste pas des moindres. Elle est la chargée de communication du Refélon, là où moi je suis secrétaire générale. Et je vous jure que même demain, elle s'est retirée pour l'alternance. Il y a problème de santé, d'accord, parce qu'elle est diabétique, mais c'est seulement pour l'alternance. Et vous serez vraiment eh, très, très, très surpris parce que vous allez voir celle que Hawa Brazé a, formée pour l'alternance à les élections 2020-2021. Mhm. On en a parlé il n'y a pas 4-5 jours maintenant. Elle m'a dit que ce sont les jeunes qu'elle a formés qu'elle est en train d'accompagner pour ces élections à venir. Donc j'attends de voir combien de ces femmes. Et je vous jure, Hawa Barazi n'a aucun franc de n'importe qui faire le travail qu'elle est en train de faire. D'accord, Madame Mariama. Et Madame Hassana, quelle est votre euh, appréciation Moi, j'apprécie beaucoup ce que dit la Tanti, Tanti Baraji. Et surtout, euh, je mets l'accent aussi sur l'alternance. Maintenant, il faut de nos jours impliquer les jeunes dans la politique. Il faut leur apprendre comment faire. Parce qu'on dit les jeunes sont euh, les devenirs de demain. Donc, vraiment, j'apprécie et ce qu'elle a dit. Et surtout euh, dans ce sens, le côté alternance. Voilà. D'accord. Madame Fatoumata, quel changement comptez-vous apporter de la participation politique des femmes au Niger euh, le, changement, c'est surtout, euh, moi je prends ça sur deux points, sur deux choses. Vraiment, parce que je sais qu'il ne peut pas y avoir changement sans qu'elle ne maintienne pas la jeune fille, la scolarisation et le maintien de la jeune fille ne soient effective. Vous savez que dans les années antérieures, on nous reprochait de ne pas avoir le, niveau. Les femmes n'avaient pas le niveau. Voilà pourquoi on arrive, même si on cherche dans les partis politiques, on n'arrive pas à avoir des femmes pour pouvoir postuler à certains postes. Aujourd'hui, il faut que le maintien de la jeune fille soit effectif. Parce qu'il y a déjà un décret qui est là par rapport à ça. Donc, je pense qu'il faut que cette question-là soit prise en compte. La deuxième des choses, l'autonomisation de la femme. Parce que sans le pouvoir économique, aujourd'hui, les partis politiques, s'il n'y a pas d'émergence, c'est parce que la femme n'arrive pas à participer économiquement dans les partis politiques au même pied d'égalité que les hommes. Donc il faut cette autonomisation de la femme, il faut que ça soit effective aussi, à travers vraiment beaucoup de stratégies de développement économique pour que la femme puisse avoir aussi de quoi aussi euh, financièrement euh, arriver à satisfaire certains de ses besoins, aussi et militer au même pied d'égalité que les hommes pour pouvoir arriver. Moi, je pense que ces deux choses-là seront un acquis vraiment si on arrive à les avoir dans les instances des partis politiques aussi. D'accord. Madame Maria Magambo, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans votre carrière politique et surtout pendant les préparatifs des élections et Pendant les préparatifs des élections, D'abord, dans votre carrière politique, les problèmes que vous avez eu à rencontrer. Ah là, vous touchez quelque chose. Hein. Et dans ma carrière politique, je n'oublierai jamais, jamais de ma vie, même si je deviens un jour présidente de la République du Niger, qu'une fois, j'ai déposé ma candidature pour être maire. Et tout simplement ce qu'on a mis au devant pour m'empêcher d'être maire, c'est que je suis une femme. Et j'ai cessé d'être une femme depuis ce jour-là. Je ne suis plus une femme, je vous le dis. J'ai cessé d'être une femme parce que depuis ce jour, j'ai pris la décision de me comporter comme un homme. Je casse tout, je brise tout pour reconfectionner. Et c'est ce que les hommes font, non Moi aussi, c'est ce que je fais maintenant. Je casse tout, je brise tout et je reconfectionne à ma manière. C'est votre manière de remédier. là c'est pour ça que je dis j'ai cessé d'être femme. Maintenant, difficulté, il y en a eu. À partir du moment où je suis capable, je sais même que moi, je suis plus instruite que l'homme auquel on a donné la mairie. Je sais que j'ai ramené beaucoup plus de voix que cet homme-là. Il a fallu même que je, je, je fasse une sous-traitance avec la CENI pour qu'on me donne les résultats de ma commune, pour que je brandisse les résultats là, pour qu'on me laisse aller au conseil de ville. D'accord. La dernière question pour euh, Madame Maïna Hassana. Est-ce que vous pensez, selon vous, est-ce que beaucoup de femmes vont postuler Là, parce que vous avez eu euh. à les former, vous pouvez y répondre aussi, eh, Madame Mariama. <laughs> Est-ce que selon vous, beaucoup de femmes vont postuler En tout cas, eh, si. Pourquoi pas Parce que maintenant, actuellement, l'ONG FAD est en train d'établir une liste des candidates aux élections 2020-2021. Eh, on est là-dessus. On n'a pas exactement le nombre exact comme ça, mais on est là-dessus. Mais vu ce qu'on est en train de, voir de la liste, oui, il y, a, beaucoup de femmes qui, qui, ont déposé leur dossier. Mais seulement, je demande à, ces femmes-là beaucoup de courage et aussi de persévérer, de ne pas baisser les bras. De ne pas baisser les bras. Madame Mariam, je vois l'envie en vous de répondre à cette question. En tout cas, parce que eh, les partis politiques euh, ont intérêt à faire ça. Aujourd'hui, voilà. Ça dépendra des partis politiques ou bien de l'initiative même des femmes. Je vous jure que c'est l'initiative des femmes qui fait que d'où les partis politiques vont composer avec elles. Ils sont obligés de composer avec les femmes. Aujourd'hui, tout parti politique qui n'a pas assez de femmes en son sein perd et il est parti pour perdre. Parce que ils ont vu avec ce régime de 10 ans successifs, ils ont vu ce qui se passe. Les hommes ont plus changé, ont plus fait de nomadisme que les femmes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de femmes qui ont fait le nomadisme, mais sont très rares. Les hommes ont brillé sur ce plan-là. Et ce qui a fait que les femmes, euh, les, partis politiques ont compris que Mata D'accord. Donc, nous sommes presque au thème de notre échange. Place maintenant à notre rubrique Lotti, informer tout en humour. Affairage, affairage, affairage, affairage. Hey Samira, éteins cette télé vite tu passes ta vie assise devant cet appareil matin, midi et soir. Il à Wassa. Salam alaikum. Hey Mamou, qu'est-ce qu'il y a Tu cries sur l'enfant là, on t'entend depuis le portail. Ou bien tu parles aux gens du ciel Ne m'en fais pas, Bouli. Mes enfants vont me tuer un jour. Ils sont tout le temps devant la télévision. Souvent, ils ne mangent même pas. Regarde comment Samira a maigri. On dirait une malnutrie. Jam, ma copine, les enfants d'aujourd'hui, je te le dis, sont tous les mêmes, Accro à la télé même pour les envoyer sur le tablier. Tant que tu ne leur arraches pas la télécommande ou arrêter carrément la télévision, Wallah, ils ne vont pas t'entendre. Eh ma chérie, prends garde fa, parce que les effets de la télé sont très néfastes pour la santé, surtout sur le développement du très jeune enfant. N'est-ce pas Donc, ça peut rendre sourd ou aveugle. Hum, ma chérie, ne va pas trop vite en besogne. Selon les experts, il impacte négativement le développement, mais sur le langage et l'intelligence de l'enfant de moins de 3 ans. Bouli, que me dit-il là oui, maman, et ce n'est pas fini. Pour les jeunes, trop de télé pourrait conduire tes enfants à adopter un comportement antisocial, c'est-à-dire qu'ils vont s'isoler, ils ne joueront pas avec leurs camarades, ni échanger avec leurs parents. Et même dans les études, ils seront distraits. Leur seul souci, c'est de ne pas rater leur programme télé. Tu dois avoir raison, hein, parce que Samira a à peine eu la moine au premier trimestre. Je me demandais ce qui n'allait pas. Mhm. toi là, apparemment c'est même toi qui as poussé ton enfant à être accro à la télé. Il faut lui accorder plus de temps, papoter entre filles. Ah Donc c'est un gros problème. Moi qui pensais que la télévision lui permet d'être en avance sur ses camarades, souvent elle me parle avec des mots fort fort là en français. Moi-même ne <laughs> comprends rien. Oh. Mhm, mamou, tu l'as constaté de toi-même, donc agis vite. Je te dis, une fois j'ai éteint la télévision, et mon fils Ismaël est rentré dans une colère noire. Pendant qu'il piquait sa crise, son oncle qui est psychiatre là est passé chez nous et il m'a donné de bons conseils. Mhm. Maintenant, les enfants sont plus vivants, plus épanouis. Je te dis, ils cassent même les vitres de ma bibliothèque avec leurs maudits ballons. <laughs> Comment tu as fait alors Explique ma copine. Voilà, c'est maintenant que tu poses la bonne question. Au lieu de la laisser tout le temps assise devant la télé, Inscris-la pour faire un sport qu'elle apprécie par exemple. Cela lui permettra de développer son esprit et sera en bonne santé. Hey maman, tu as la solution et tu me laisses crier tous les jours comme ça J'allais faire une crise cardiaque un jour, wallahi. Mais est-ce qu'elle va m'écouter même Maman, il faut que tu tapes du poing sur la table. Pas de la télévision avant trois ans et même après ce âge, c'est à toi de choisir le programme et la tranche horaire, pas plus de deux heures de temps, je te dis. Il faut surtout respecter le logo signalant l'âge minimal pour le visionnage. Il est situé en bas, à gauche de l'image. Et dans ce cas-ci, hein, tu peux utiliser un code avec la télécommande pour activer le contrôle parental. Ah oui, les moins de 10 ans, moins de 12 ans que je vois sur les films. Je me demandais à quoi ça sert. Oui, oui, et il y a même les moins de 16 ans, les moins de 18 ans. Mais on n'en est pas encore là, hein. Le moment viendra. <laughs> Eh, je comprends, ma chérie. Donc, si je comprends bien, je dois aussi la surveiller sur Internet. Voilà, maman, tu as tout compris. Je ne dirais pas que Samy va l'accepter de tout de suite, hein. Mais ne cède pas à ses caprices de petite fille pourrie, gâtée. Bouli, tu m'as sauvé la vie. Dès aujourd'hui, je vais prendre ce problème à bras le corps. <laughs> Ici nous Ici, Femme Fin, le forum Espace Femmes de ce soir qui a traité sur les préparatifs des femmes en politique dans le processus électoral 2020-2021. Comment les femmes s'activent dans le processus électoral au Niger. Pour cela, nous étions en compagnie de Madame Mayna Hassana qui a représenté l'ONG FAD de Madame euh, Fatoumata Sangare, présidente du COFEMED, et de Madame Maria Magambo, représentante de la femme formée et élue dans ce débat. Merci à vous, chers invités, d'avoir honoré l'invitation du forum Espace Femmes du studio Kalangou. Merci également à vous, fidèles auditeurs et auditrices, de suivre les programmes du studio Kalangou. Les programmes du studio Kalangou vous parviennent à travers nos 45 radios partenaires dans les 8 régions du Niger et 5 télévisions partenaires, dont 4 à Niamey et 1 à Zender. Nous sommes aussi accessibles via Internet à l'adresse www.studiokalangou.org sur Facebook et tuteur. Je suis Rafika Taher à la présentation, Seni Isaka à la technique et Mustafa Ayuba à la régie vidéo. Au revoir. Espace Espace femme. Espace femme. Espace femme. Espace femme.